Nous dénonçons cette justice corrompue. Nous dénonçons les juges corrompus. Mais en même temps, nous rafetlou, les juges courageux qui font extrêmement bien leur travail. Il y a moins d'un an, on a recruté 10 magistrats. Nous avons fait un concours pour recruter 30 magistrats. Posez-vous la question pourquoi Parce que les juges sont en train de résister à l'intérieur. Malheureusement, nous ne comme 4, nous ne comme Damsek, nous ne comme Man. Les juges sont en train de se rebeller à l'intérieur. Pourquoi en moins d'un an, nous avons 10 magistrats, il y a, moins, il y a un an, nous avons 30 magistrats. Les juges sont en train de résister. Ils sont en train de se battre, de résister de toute manière. Nous dit avons La justice n'est pas une question des magistrats. La justice, c'est notre question à nous tous. Juges, nous ndax justice bu mais quand moi qui njëkk est-ce que magistrat yi la ñun ñoo koy donc ñun ñoo waroon jiitu ci qui bi justice et j'en profite pour rappeler au Sénégal il y a un déficit de 600 magistrats ndax seen tappale ndax seen détourné xaalis seen Tout le monde de la République mënuñoo am ay juge de doy